ku amana mana fada da fatan wannan shirin zai tarda ku lafiya cikin iyalan naku da kuke shuraren mu au micro votre ami de tous les jours rabia mai kano kun gane wannan shirin dai na matasa ne mais la fada tient aussi à être aux côtés des plus jeunes yara kankana manyan gobe shekaran jiya 16 juin 2022 ne aka yi sallar ranar da aka keɓe ma yaran Africa, la journée de l'enfant africain. Et cette année, les experts mettent l'accent sur l'élimination des pratiques néfastes affectant les enfants. D'où notre thème Comment les protéger, les enfants, contre ces pratiques néfastes au Niger Selon l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, pour les 12,5 millions d'enfants de moins de 18 ans au Niger, l'enfance n'est pas un voyage facile. Avec une population qui a à peine accès à un assainissement convenable, une faible fréquentation scolaire et des pratiques néfastes sune muke so yau mu dago a cikin fadar mu ta yau irin ne ake yi wa yara a nan Niger et comment protéger ses enfants contre toutes ces pratiques néfastes dont ils sont victimes shi yasa muka gayyato a nan studio Kalangu eh, a des structures de jeunes qui œuvrent justement pour la protection des droits des enfants. Et comme invité à cette fada, nous avons le Moi, c'est Amadou Moumouni Soumaïla. Je suis le responsable des programmes de l'ONG Koniprat, qui est le comité nigérien sur les pratiques traditionnelles et un effet sur la santé des femmes et des enfants.

Je suis le représentant de RDSO. Ok, sois le bienvenu. To, kun ji da shirin namu yau abinda muke dauke da shi wa'annan yara kankana matasa ya ne ake iya a kare su da irin musgunawa da ake musu. Bien sûr, il a pas de faire sans musique. Nous aurons la rubrique qui est l'affaire de Mr. Dandy et euh, la chronique de notre chroniqueur chouchou Olivier. Top, c'est parti.

da amfanin da ake da su cikin bara a Afrique. Bien plus a-t-elle sur notre continent plus de 300 millions de filles qui risquent la mutilation. Le mariage précoce, qui touche 20 millions de filles dans le Sahel, soit 7 filles sur 10. Yanzu, zan je direct suis ta farko. Muna so mu je anan kasar mu ta Niger. Wanda irin musguna wani akimayara, ma se faire wanda yake iya ƙara tana mu ko ni prat da kai zan fara Sumaila comment on irin musguna ne kuka ga ko an hima yara eh, a cikin kasar mu ana vous m'avez demandé je me jeter à l'eau okay, merci merci bien donc en ce qui concerne euh, tout ce qui se passe dans notre pays et un peu partout ce que nous constatons et ce que nous avons relevé lors de notre première étude euh, pour euh, recenser un peu tout ce qui est pratique néfaste, nous avons recensé les pratiques, euh, le mariage des enfants, les mutilations génitales féminines, le viol, et le gavage et les tabous alimentaires, les tabous alimentaires, les interdits surtout, parce qu'on dit. Comment on a mange de l'œuf, il devient voleur, tout ça là, c'est des pratiques qui sont, qui sont vraiment néfastes à la santé de l'enfant. De, de l'enfant. Donc voilà un peu ce que nous avons recensé. Donc aujourd'hui, moi je pense bien que euh, le lieu est bien choisi la date est bien choisie pour un peu parler de tout ce que les enfants sont en train de subir. To Ibrahim zan zo ko kuma a votre niveau plan da sur le terrain côté de ces enfants. Euh, wannan da ya gaya muna irin wannan musgunawa da yake gani da ake mayar kankana akwai wasu da gaya muna. Kasan mutane jar muna yan dauka kamar eh, armar da yara kankana. Akwai wannan luwa da aka ɗora ta eh, ba da yarinya mace arme a shekara goma sha biyar amma namiji shi kuma sai a shekara goma sha takwas. Kun ga wannan deja ana yan cewa an sa bambancin tsakanin yara mace da namiji kenan ya kamata a ce wannan eh, luwa ina an ƙara duba ta saboda tana nan ga musguna ma iya mata saboda ba su nan ga samu su ta yi karatu dan lakwal kuma kenan kai cikin tun ma cikin ma eh, doka da aka dora ma ce ka gani nan ba a yi daidai ba a yi daidai ba ya kamata a duba wannan doka dan dai a samu a ba arman yara kankana yan mata su ma a yi su su sa ya zama a shekara goma sha takwas kamar yadda aka ma na Mm, maza maza hallau eh. ina yin ɗauka kuma cikin pratik na fast mandisite yau kuna yin gani yara a kowane lokaci biskan hanya akan titi suna yawo tare da tsahi wannan mandisite in tana sha mana kai sosai paske yaro bai kamata ba wajen shi bane bara wajen da aka san yaro lakwal ne protection kuma kare yaro ba uwaye kaɗai ne. ya kamata a ce uwaye ne za su fara amma ya kamata a ce duk abubuwan da za mu yi a cikin kasa ma suna iya favorize in kamar protection in nan ta yaro kenan yanzu wannan mandisite inda yara suke nan suna yi yana sha mana kai sosai in aka ɗauka ko etude inda muka ta se une étude réalisée par UNICEF donc euh, biskan kashi 100 ana yin ɗauka 78 yara eh, suna samun lahani kamar wajen barace-baracen wannan yara 'yan mata ma yanzu shine abin da yake tasa mana hankali kuna 'yan gani yarinya karama ana tura ta uwayenta suna suna dora ta akan hanya ta je ta yi bara yanzu wannan abun elle elle est exposée à tous les dangers tous les dangers si on peut le dire parce que il y a la violence et puis il y a tous ces prédateurs sexuels et qui sont Abdesso ah <laughs> Yann sun dago zance eh, zancen wannan bara na yara da ake les enfants qui sont exposés comme ça euh, dans les rues et eh, il a dit ça c'est vraiment votre cheval de bataille cikin association kinku ina so in sani kamar kwatanta mini wai eh, qu'est-ce qui est à l'origine de ces pratiques daga menene tushen wannan abun pourquoi les enfants sont autant exposés euh, comme ça euh, dans les rues Ils sont exposés parce que tout simplement, il y a la pauvreté qui gangrène vraiment le peuple. Parce qu'il y a un que qui dit, bah, on n'a pas les moyens, les gens ils sont vraiment dans des situations difficiles, mhm. c'est assez compliqué. Sinon, d'autres d'autres mhm. se voient dans l'obligation d'envoyer les enfants, même si nous on trouve que c'est vraiment pas humain, c'est inhumain de le faire, d'utiliser les enfants. Parce que de Kansou, comme il a dit, ils doivent avoir les mêmes droits quand il a évoqué la question de, l'âge de se marier et tout. Donc, c'est que c'est qu'il est pour euh, l'égalité. Il ne mesure pas la gravité de leurs actes. Parce que tu exposes un enfant sur une voie, il fait le trottoir, ou bien surtout si c'est une femme, parce que la plupart c'est des filles qui sont exposées. Elle fait mhm. le trottoir, elle cherche, euh, elle cherche à manger, elle cherche, elle mendie, elle est exposée à tous les dangers. Et nous, ouais on a décidé de faire, parce que nos moyens sont quand même très limités, on a décidé de faire alors dans le volet sensibilisation plusieurs jeunes filles aux travaux ouais, Justement, on va revenir sur euh, les actions que vous menez euh, sur le terrain, comment vous, votre apport dans, ces luttes menées. Mais là, on va revenir sur euh, les luttes que mène Mangabata Nam, parce que le Niger a ratifié en septembre 90 la Convention relative à la protection des droits de l'enfant. C'est de une convention signée euh, un an plus tôt mu dawo bisa kan eh, irin wannan dokokin da aka dora a kasar tamu ko ni pratan zojen ku ya kuke ganin hiyar dokokin wannan waki ok eh. Eh, vous savez au Niger, on n'a pas un problème de texte comme on le dit tout le temps. Hein. On n'a vraiment pas de problème de texte. Mais c'est le problème, c'est dans l'application. Et de l'application, c'est de l'application qu'on trouve beaucoup de travers. Mais malheureusement, au lieu que nos, gouvernants revoient leur façon de faire, malheureusement, on continue dans ces mêmes, dans ces mêmes travers. Aujourd'hui, il a parlé de, de la 4BE, e, c'est un texte que le Niger a ratifié aussi. Mhm. Il y a le code pénal, il y a notre constitution même qui, met l'accent sur euh, tout ce qui est protection de l'enfant. Mais malheureusement, malheureusement, dans les faits, ce que nous voyons, c'est autre chose. Ouais. Donc, euh, je, peux, je peux dire que aujourd'hui, c'est de rappeler une fois de plus, comme on dit, le rappel est pédagogique, et c'est bon de rappeler aussi, de rappeler à nos, à nos gouvernants ce qu'ils ont signé comme texte pour protéger l'enfant. Il va falloir qu'ils l'appliquent. Aujourd'hui, les enfants sont dans, des situations très très très très dangereuses parce que on les voit sur les trottoirs, on les voit se prostituer, on les voit, on les donne euh, pour qu'on les mutile. On les voit, on les donne en mariage. Même au niveau de, de, l'école, qui devrait être un lieu garant de l'éducation des, des, enfants. Aujourd'hui, notre, notre, notre lieu scolaire, c'est autre chose. Comme il l'a dit, il y a tellement de prédateurs sexuels, je ne sais pas. Bon, Et ça, même à l'école. C'est ça, que même dis, à l'école. Le milieu scolaire qui devrait être une, garantie pour l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, même <laughs> l'école, c'est autre chose. Je ne sais pas, c'est dû à quoi Nous sommes en train de nous poser une question. C'est dû à quoi C'est dû, le problème est dû à quoi Aujourd'hui, quand on yawa ina jin ga mun sunan ki na Aishatu kamar in mun Aishatu Blamba si on essaye de voir eh. les prédateurs sexuels, comme Ibrahim l'avait dit. D'accord. Je, disais comme si nous essayons de voir les prédateurs sexuels, comme Ibrahim l'avait dit. Vous allez partir dans, dans, les villages parce que la réalité du Niger, c'est pas seulement à Niamey. Quand vous allez partir là-bas, vous allez voir. Les élèves n'ont pas. L'âge entre, les élèves et les enseignants, il n'y a pas une tranche d'âge assez significative. Voilà. Mm. Maintenant, les enseignants là ne voient plus ces enfants là comme des élèves, mais comme des femmes. Le problème se pose à ce niveau. Il y a une violence en milieu scolaire. on, t'envoie à l'école pour étudier. Les parents sont à la maison pensant qu'on a envoyé les enfants dans des mains sûres pour fuir à la, au mariage des enfants. Mais si nous regardons, c'est comme si nous chassons nos enfants euh, à la maison pour les jeter dans la gueule du, loup en, quelque sorte. Ibrahim, eh, Allah. Eh, <laughs> alakol yana so a ce a yi situation in problem in kamar wajen reinforcing inegalite har ake samun matsala irin wannan ce violence ma ana yan samun ta a cikin wannan in lakol in mu to

avec la rubrique de Dondi. Après, on va continuer sur ce débat. Euh. Mesdames et messieurs, tout sur Denke Denke. Alors, nous lui tout simplement la bienvenue. Albora, salam alaikum. Matino. Matgam. Exao. irgbe de kan kona kai nijar talato kul gabe bar kan gate denke denke to ka de o kayon kan dunya bon susu <laughs> mamar kasai yakubu mumuni danke danke mai kati mamar kasai mai kati yakubu mumuni danke danke to yakubu mumuni dai uno jina ayiwo aiwo emana haikal kwara kan ne tera to nigungo gonda kilometer weicindi iye da tera to nigungo nodi nine hai sajora kawyara kalenya de ba fu folonka mm. nodi ne hai eman koy maternité mm. iman konda e ba window me nodi no koy na e hai nodi no e beri kale gonda jiri egga wato dini nte babtik shi ayuu kurkowno iyaga kuriga fara sanisinsakebe maha dine nkun yakuba momori danke danke iru fulan dendir godi bore kan gwangi nirse mo egi milki bo bakul gi milkan nu no amma ni ne mo kan tera har nine nai matcina no wona wicara to mataka ci anda ngiti fulantare go me aga moru ifot mora kigidi ngiti baba wani baba mm. kan sigine sambo kan mumuni hay mumuni mone hay anya ngono tufula ngumo fala guntu bonkoino bandeino hunkunde emission o an kan kan dir misali dono kan nugote irga bai da kan wani wa ko glabo nafa mat no wone wo a zumbun ne dono wati fo sintin eg bayim dono da irko takanda da ego cece mte dono ko imatafo ayo zair ko taka kego zanka eme omwana mbaikide abuduni ga maigo kuŋa maigo kijiribi parce que ato nan kai haira ibumbo ine ifone kianda parce que don ko si dumora i dumo men da me don ko si ne mana tubu e mana tubu e babu la dan no agchano ai no ti iduante e bero kanga gide kal fagno agone o sa isna se kal alfa sumana e ber fa ngo jimno ngo taxi afa mo alfelino alboro ignase amadu su jima ignase nuhu alfaga gwara ra zimma gwara ra donu ka donu goyi da alfero goyi da alfero goyi da hinka sale da hawa ndiya mm. donc ay wo za zangtare de go kuru eg don de go fere eg don de kala ir bumbay ir bore go kumgay bon ha ifo no borao bor fu dumino mm. kala ir ko ye kakte kange babu bu e dir che ga za ir kwara kal kal kwaro ra e mante kal jirbi iddu afrik kolor mo ibore ikak joué ne occ feredi directeur foka directeur original c'est philippe conrad mm. anenge invité yeshi en tant que flûtiste ay no ouverture te mm. france mm-hmm kawyezo sintin desi irto ama irgi mili kamo niger talato kulu e duni bon bere kain fo sani fo no gonda niger talato mi ame za artiste za doni ko za bore kanga hanganse l'instant est solennel l'artiste fo dene ci kanse doni wo nor cheki sate hin kaste cherbane irwo itun danga to dangi jirwai kai man bai dul kam zambal hinka inna go ku dondon dai amma so zanka za bora sitin te kiw wo delais hinna guna aste cherbane me dinaino fondo émission o neme wala sintene wona o ir nous gayi ir rendez-vous demain dimanche même heure même fréquence c'est que la donne qui va changer hey on revient à la FADA. Aujourd'hui, il est question de la protection de l'enfant euh, au Niger contre toutes les pratiques néfastes qu'ils subissent. Chez Sayo, muka ga yato kungiyoyin wanda suke cikin kariya hakkin yara su zo nan ga studio Kalangu mu hira tare da su muna tare da yaran Bulan muna tare da Prat de un Arda Yesu duka yau mun tattaro su. Yanzu za Insani, ci gaba da tambayar tawa. Ina so in sani yanzu ku da kuke

in an sa su equal duka wannan matsaloli ba mu yi musu on a pas faire face à, à certains problèmes mai yanzu abin da muke gani uwaye kamar uwayen yanzu sun yi sa ma su sun yi sa san kuɗi ga rayuwar su rayuwarsu sun yi eh, san abun duniya kuma da san sauki sai ki fake su busu nema su kamar chance kin da samu ta suyi karatu suna dan nema diyan su kuma même chance, suna hana diyan su ta suyi karatu su sa su cikin harkoki abubuwan da bai kamata ba et puis nous savons tous que kamar yaro tun yana karami in an sake shi cikin cikin cikin hanya hakan ga kamar on est en train de former les enfants seulement pour la rue mais ba dan su zama wani abu kuma wannan c'est vraiment un danger dan shi yasa na yanzu aujourd'hui muna gani ya beaucoup de délinquants comme la délinquance juvénile ne fait, ne fait que prendre des de l'ampleur vraiment. Et Wananduka, c'est dû au, au comportement de certains parents, si je peux le dire. Ouais. Alors, la zone vous arrivez vraiment à travailler, vous arrivez à, à, à, communiquer euh, avec euh, les parents que vous rencontrez ou les acteurs que vous rencontrez sur le terrain. Oui, effectivement. Des choses effectivement, c'est assez compliqué, mais quand même, on essaie parce que est-ce qu'on a le choix On n'a pas le choix. On, doit aller sur le terrain. Oui, c'est pas toujours dans la théorie. Donc, on essaie vraiment de les aborder, de discuter avec eux parce que aussi, on sait qu'ils ont, ils ont des besoins. Donc, on essaie de les aider au maximum. Par exemple, comme j'ai dit, le projet Une seconde chance où on a formé au niveau de Kwartegui, on a formé beaucoup de, de jeunes filles aux travaux manuels. Donc, elles peuvent exercer des activités. Elles étaient des aides-mendiants, ça des, filles de mendiants, euh, comme ils, disent, attendez, voilà, des chauffeurs, voilà, des, guides de mendiants, euh, parce que là, c'est un peu... Voilà, donc c'est ce qu'on a essayé de faire vraiment en formant ces jeunes filles aux travaux manuels. Voilà, on tsaya bisa bisa kan hanya yana exposant eh, au risque et danger attention au risque et danger et, donc c'est essentiellement ce qu'on essaie de faire et aussi d'aborder les parents pour pouvoir les sensibiliser parce que su in ba su gane ba da yau yaran nan ya kamata su koyi aiki ko su ta yi lakol ba su iya yarda yansu su su ta yi lakol a suna gani da kamar yaran nan in suka aje su bisa hanya suna kawo musu yan kuɗaɗe ko abin da za su ci. Okoni Prat. Soumaïla <laughs> zan dawo wajen ka. On va aller en profondeur encore. On va creuser encore plus. Okay. Tunda yanzu dai tout à l'heure tu le disais tantôt euh, doko kide akwai su. Mais qu'est-ce qui bloque ces luttes au fait? à quel niveau ça bloque alors tu ne tunda dokokin akwai su in aka zo kuma cikin pratikikin in aka zo kuma cikin aiki da su hallo menene ke blocage kin me yake constitution blocage kin da ba a samu ana aiki da dokokin wannan da kyau a ganin ka ina matsalar take tout à l'heure, c'est ce, ce que, je disais. Hein. Mm. Euh, le problème, euh, on doit le soutenir. Et nous, quand on a fait notre pétition, on s'était dit, aujourd'hui, si nous sommes en train d'échouer, parce qu'on a, on a mis de côté nos valeurs, nos mœurs, nos coutumes. Et on a embrasé quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui veut dire les, la culture blanche. Ah, aujourd'hui, ah, c'est ça notre grand problème. C'est ça notre grand problème. culturellement culturellement, a, un problème véritablement, le problème se situe à ces noms. Parce qu'aujourd'hui, auparavant, si tu regardes notre société, l'enfant, c'est pour tout le monde. Tout le monde l'éduque. Chacun apporte euh, sa, pierre à la construction de, de, de, l'enfant. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est l'intérêt individuel qui prime. C'est l'individualisme qui prime. Ce oh, que j'ai, ce oh, que j'ai, ce que j'ai, c'est pour moi et ma petite famille qui tourne autour. Ton enfant, enfant, c'est ton, enfant. Chacun pour soi, Dieu pour Auparavant, l'enfant, tout le monde, nous tous, on a, eu cette éducation. on a eu cette chaleur humaine, cette chaleur sociale. Hein? C'est là où je veux abonder ce qu'il avait dit par rapport à, la pauvreté. Moi, je me dis que deux fois, c'est pas la pauvreté. Auparavant, nos parents étaient pauvres. Mais pourtant, ce que, nos parents ont suffit pour tout le monde. C'est un problème de valeur. C'est un problème, de, valeur. On est perdu, on flotte en l'air. On ne sait pas là où on va. Parce que tout simplement, on est perdu entre cet individualisme moi, je, et, Moi, je dirais que le problème, c'est voilà, en Si déjà on a les textes qui sont là, eux que ça ne s'applique pas, mais moi je, moi, je condamne l'État ça relève de la, de la responsabilité. L'État, c'est qui L'État, c'est le gouvernement. mais l'État aussi. Ceux-là qui adoptent la loi, ceux-là qui élaborent la loi, c'est eux qui doivent faire en sorte à ce que cette même loi soit appliquée. Ni ina eh, biskan magana wannan da ya kawo eh, gaskiya na ji daɗin ta sosai. Wa'innan test ɗin nan da aka yi en français. an ya kamata a ce an samu an yi sensibilizan uwaye har cikin ƙauye allan in eh, ana an samu a hausa da zabarmanci kowa ya samu ya samu ne da tasiri kamar lota duwa veye kamar yanzu an ce an sa luwa ta an hana madisite kin yara an hana asa yara bara kuma ka taho biskan hanya les autorités su ma wa'annan wanda suke da eh, wanda suke faɗa a ji suna ganin yara suna yawo pourtant il disent rien ils se amma kuma an ce akwai luwa kenan nan ne yake ni ina gane hein. dai ina gane dai <laughs> kuduka vraiment c'est des luttes euh, qui, qui vous tiennent réellement à cœur et à la fada on essaie de de trouver euh, sur quoi faut-il vraiment mettre l'accent Et on va arriver à cette question justement. Mais avant cela, on va détendre un peu en musique. On va écouter We Are the World. On leur envoie euh, plein d'énergie positive. Euh, on leur fait un gros coucou de partout où ils sont. La FADA reste aux côtés euh, des plus jeunes. There are people dying. Oh, when it's lend the hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somehow will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and it's true, you know, love. so their cries for help will not be in vain. We can't let them suffer. No, we cannot turn away. Right now, they need a helping hand. émission aujourd'hui euh, consacrée justement aux petits enfants. Yar kankana yau muke so euh, mu da su, mu hira kan incin su da ake tauyewa, mu hira bisa kan irin musguna da suke gani a kasar mu ta Nijar yau shi yasa muka gayyato wa'annan kungiyoyin da kuke jin da suke tare da mu muna tare da plan da prat da Arda Yeso. Zan so ga tambaya ta ta karshe. A votre avis, Euh, brièvement, chacun va me donner euh, sa plus brillante idée sur quoi il faut mettre l'accent pour que ça marche. Nous, on ne va pas arrêter hein, de revenir sur ces choses-là. On revient à la charge. Sur quoi il faut mettre l'accent. Euh, à ton avis, pour que vraiment on, change les choses. Ni dans ma vision, je pense que il faut maximiser sur l'éducation. Parce que quand je dis éducation, c'est que le système éducatif d'aujourd'hui même ne correspond pas à nos réalités. Il ne reflète pas ce que nous sommes. Quand il parle des valeurs, si le système éducatif était adapté, on allait avoir ces valeurs, on n'allait pas les perdre. Aujourd'hui, le monde avec la mondialisation, il est connecté. Il est connecté au eh. euh, Comment on appelle Voilà, c'est comme un eh. petit village planétaire, comme on dit. Hmm. Donc, komi ba mu iya cewa on va rejeter duk abin da ya zo daga waje amma on le prend on l'adapte à nos réalités ouais. pour que ça nous serve donc ça va donner du positif kenan ni ma vision c'est que le système éducatif kenan l'école kenan da ake cewa ayi adaptant ta qu'on l'adapte à nos réalités et qu'on avance avec kenan dai harkan karatu dai karatu ya zamanto eh, tare da irin tabi'o'in da ake badawa eh, a cikin eh, al'ummar mu irin tabiyoyin mu irin kamar tout ce qu'on a comme culture voilà mai da su baya karata yi karatu kuma hallo a kara mu kara sanin <laughs> histoire il faut que quand tu pars à l'école que tu te retrouves in ka ta l'école ka wallahi wa galfa pas une déconnexion voilà. de ta réalité ta wuce amma kai ka te l'école abin aka koya maka da in ka zo gida da ba dai bane ya ya za okay. c'est différent Salima dans quelle direction on doit aller cette lutte sur quoi on doit mettre l'accent selon toi Comme Yves l'a dit, comment il faut mettre l'accent buskan waye kai da ake yi ma uwaye quoi kwatanta musu da vraiment ga yanda commentaires sur su su tai su ko surtout buskan abun ga scolarisation des enfants a sa accent buskan shi et puis et, État ma de son côté, il a ses responsabilités. Comment il y a comment à État de son côté, il y en a ça ma ouaye dans ce dans ce cas a ce école. La scolarisation des enfants. Aujourd'hui, si vous regardez le taux de scolarisation, c'est élevé. C'est élevé. On a fait énormément de choses dans la scolarisation des enfants. Mais maintenant, la finalité, c'est quoi la finalité, c'est quoi Aujourd'hui, on a tellement de tellement d'enfants, tellement de jeunes qui sont bondés de, de, de, diplômes, mais qui n'arrivent pas à avoir là où Aujourd'hui, c'est ce qui fait en sorte que les parents, quand tu leur parles de scolarité, ils se disent, mais ceux qui sont devant même, ils sont mais il a fait quoi Il a fait quoi C'est ça, c'est une réalité qui est là. Moi, c'est pourquoi de fois, quand les gens parlent, je dis, mais est que nous, nous, est-ce que nous sommes en train de nous rendre compte là où nous sommes en train de partir L'enfant, il faut que dès que tu pars à l'école, tu apprennes quelque chose à faire. Juste à la sortie, même si tu, euh, on ne t'embauche pas, tu peux créer une petite entreprise, tu peux t'en sortir. Mais on te dit d'apprendre le philo, d'apprendre maths, d'apprendre histoire géo, d'apprendre... Les orientations d'abord avant, d'en venir à la fin des études. Parce que là, là tu, pars, tu, tu décroches ton BPC ou bien ton bac, là tu es dépaysé, tu ne sais même plus quelle filière choisir. Là, tu, tu, tu, tu, es laissé comme ça, tu ne sais même plus quoi faire. Oui, c'est ça. C'est ça la base dont Donc, je on parle, on parle, on parle. Il faut qu'on essaye d'inclure ça. Au final, sur cette émission, il faut qu'on essaye d'inculquer ça. Au final, on est déjà à la fin de notre heure. Donc, au final, sur euh, cette euh, sur ce premier angle, on revient sur l'adaptation du système éducatif à nos réalités. On revient sur l'application, mais ultra sérieuse, des lois euh, ratifiées par le pays. Avant de se dire officiellement au revoir sur cette émission, on va accueillir Olivier qui nous vient avec euh, la chronique et on se dit bye bye. Chers amis auditrices et auditeurs, bonsoir. Dans la chronique de ce soir, nous allons parler de santé précisément le don du sang. Le week-end passé, nous l'avons tous remarqué sur les réseaux sociaux. Une des photos qui a fait le buzz est celle du chef de l'État, Mohamed Bazoum. Une photo sur laquelle le président de la République donne son sang. Cette photo, qui a fait le tour du monde à travers les réseaux sociaux, nous a inspiré pour la chronique de ce soir. D'abord, nous parlons du don de sang. Si la journée mondiale du donneur de sang est célébrée le 14 juin de chaque année, selon l'Organisation mondiale de la santé, cette journée a été créée pour faire connaître à l'échelle mondiale le besoin en sang et en produits sanguins sûrs aux fins de transfusion. Sensibiliser à la contribution essentielle des donneurs de sang volontaires et bénévoles au système de santé nationaux et aider les services nationaux de transfusion sanguine, les organisations des donneurs de sang et d'autres organisations non gouvernementales à améliorer et à étendre leur programme de donneurs de sang volontaires en renforçant leur campagne au niveau national et local. La journée est également l'occasion de lancer un appel à l'action au gouvernement et aux autorités sanitaires des pays afin qu'ils prévoient des ressources suffisantes pour augmenter la collecte du sang auprès des donneurs volontaires et bénévoles et pour gérer l'accès au sang et à la transfusion des personnes qui en ont le besoin. Le sang et les produits sanguins sont des ressources essentielles à la bonne prise en charge des femmes qui souffrent de saignements au cours de la grossesse et de l'accouchement des enfants qui souffrent d'une anémie sévère provoquée par le paludisme et la malnutrition, des patients qui souffrent de troubles sanguins et de la moelle osseuse, des victimes de traumatismes, de situations d'urgence, des catastrophes et accidents, ainsi que des patients qui subissent des actes médicaux et chirurgicaux et complexes. Le besoin en sang est universel, mais l'accès au sang de toutes les personnes qui en ont besoin ne l'est pas. Les pénuries de sang sont particulièrement criantes dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires comme le nôtre. Dans un monde post-Covid, selon l'OMS, les dons de sang volontaires non rémunérés ont considérablement diminué. Le Malawi, par exemple, a enregistré une baisse de 46% de ses dons de sang. Cher ami, donner du son sang, c'est sauver une vie. Donner son sang, un acte de solidarité, rejoignez le mouvement et sauvez des vies. Merci bien Olivier. Eh ben, C'était la fin, c'est la fin comme ça de tout ça, la France Française Aoussa. Nous étions avec les organisations euh, qui œuvrent dans la protection des droits des enfants. Euh, de ce qui est yaƙi don a rage ko a hana kwata-kwata ma irin musgunawa da ake ma yara kankana a nan kasar mu ta Niger. Yan euh, Koniprat sun zo yau, yan euh, plan, yaran plan su ma tare da su muke muna tare da yan Arda Yeso. yanzu dai cikin wannan hira tamu dai mun gane dokoki dai akwai su a wannan kasar tamu amma suka ce kuma a ƙara dibawa a ƙara matsatsi a matsa ma uwaye wannan dokokin kowa ya san da su kuma kowa ya aiki da su hallo kuma wannan lakwalkin da yara suke tahiya lakwalkin wannan a kawo ta yi kama da irin tabiyoyin da ake bamu a cikin yallanmu. mu to sai mu ce a huta lahiya zan bar ku da abokin aiki na habibu garba za ku ci gaba da wannan hira tare da shi za a tantance komi da komi sai in ce a huta lahiya.